Thank you. les auditeurs des programmes du studio Kalangu, bonjour. Il vient d'être 11h à Niamey et vous êtes à l'écoute du Niger sur Kalangu. Ce matin, la présentation sera avec Samira Rafi et Habiba Ahmed. La technique est assurée par Issa Lawali et Khadija Isaka est à l'édition. Bonjour Habiba, comment tu vas Bonjour Samira, ça va Oui, je vais bien, merci. <laughs> Sur quoi portera notre menu d'aujourd'hui nous débuterons toujours avec le Flash Info qui nous est présenté aujourd'hui euh, par Rafika Attaher. Il y aura aussi la rubrique hebdomadaire, notre reportage en région qui nous amène à Zender. Il y aura également notre page sport. Et nous recevons comme invité du jour Maimouna Zakari Halilou, alias Mouna Laslamez chers auditeurs, nous vous invitons à suivre notre flash info avec Rafika Ataher. Bonjour Rafika. Bonjour Habiba, comment ça va Ça va bien. Bonjour Mira. Quelles sont les nouvelles ce matin alors pour ce matin, la 21e édition de la journée africaine de la médecine traditionnelle est célébrée aujourd'hui comme chaque 31 août. Cette année, elle est placée sous le thème La contribution de la médecine traditionnelle à la santé holistique et au bien-être pour tous. Dans un message livré hier, le ministre de la Santé publique, le colonel-major Garba Hakimi, souligne que l'OMS fera en sorte que chacun bénéficie d'une couverture sanitaire universelle comprenant une protection contre les risques financier et donnant accès à des services essentiels de qualité, à des médicaments et vaccins sûrs, efficaces à un coût abordable. Ensuite, l'organisation de la société civile nigérienne M62 a demandé lors d'une déclaration hier au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie une baisse du prix des carburants à la pompe. Abdoulaye Seydou a demandé aux autorités d'annuler la mesure d'augmentation du prix du gasoil et diminuer celui de l'essence à 500 francs CFA. Le mouvement a également suggéré, entre autres, de créer un fonds souverain pour la dignité du peuple qui sera alimenté par des mécanismes nationaux et des contributions des citoyens, notamment de la diaspora et des peuples amis et d'accélérer les procédures judiciaires pour la libération des détenus politiques. Enfin, dans ce flash, le gouvernement burkinabé a adopté lors du Conseil des ministres d'hier, 30 août 2023, un projet de loi autorisant l'envoi d'un contingent militaire au Niger en cas de recours à la force par la CDAO pour rétablir l'ordre constitutionnel comme envisagé par les chefs d'État de l'organisation communautaire. Sans être belliciste, il faut dire que cet engagement se fait pour prévenir et mener au mieux notre lutte contre le terrorisme et répondre aux aspirations profondes des masses populaires burkinabées. Ce qui touche à la sécurité du Niger touche fondamentalement à la sécurité du Burkina Faso, a indiqué le ministre d'État de la Défense, le colonel-major Kassoum Koulibaly, au sortir du Conseil des ministres. Merci Rafika pour toutes ces informations. Chers auditeurs, comme annoncé, nous recevons aujourd'hui Mounas, la slameuse, dans notre studio. Bonjour Mouna. Bonjour. Avec elle, nous allons parler de la place des femmes dans le monde du slam et comment elles apportent leur contribution dans le développement. Mais avant de vous donner la parole pour notre première balade musicale, écoutons ce titre que tu nous proposes. de ta la divinité crée sa grâce. De par tes entrailles qui soufflent la vie, tu cueilles et recueilles les âmes en détresse. Femme, centre d'espoir, hospitalière par promesse, celle par qui tous les maux se confessent. Abdiesse dans tes œuvres, par ta parole les douleurs se compressent. Quand ton entourage se déchire, tu ramènes l'ordre à la réalité et pour les résultats destructifs des conflits au sein de ta communauté, tu oublies ta peine de victime pour ton rôle d'actrice. Et par ta voix de médiatrice, tu couvres l'innocence humaine. Aucun monde ne connaîtra d'évolution sans paix et aucune paix ne se fera sans toi. Vecteur de paix, d'égalité. Elle est source d'inspiration. La quête des mondes meilleurs repose sur toi, grande forteresse. Sois celle par qui le tragique s'est car la grandeur de ton âme perce les cœurs en ivresse. Tu es comme la lumière du jour. Mounas, qu'est-ce qui t'a inspiré à écrire ces livres sur la femme euh, Bon, bonjour tout d'abord. Bonjour. J'espère que vous portez bien. Ouais, ça Et cette chanson, c'était en 2022 lors euh, du championnat national de slam poésie qu'a organisé Oxfam. C'était à ce temps-là que je l'ai écrit, mais je l'avais bien avant, juste à ce temps-là, c'était pas pour finir Je l'avais pour finir avec l'occasion. Et c'est cette même euh, chanson, ce même texte qui a, remporté le premier prix du championnat national de slam poésie en 2022. C'était à l'occasion de la journée nationale de la femme, le 13 mai. Voilà d'où me vient l'inspiration d'écrire Femme. Je l'ai eu euh, de ma mère parce que je voulais rendre hommage. Et j'ai pas eu meilleur exemple, meilleur euh, exemple effectivement pour écrire la chanson. Je l'ai regardée, je lui ai dit bon, je vais lui écrire un texte. J'ai envie de rendre hommage aux femmes et j'aimerais commencer par elle parce qu'elle le mérite, parce que la femme le mérite. La femme mérite qu'on lui rende les hommages, elle mérite qu'on lui donne les éloges parce qu'aujourd'hui les femmes, on est les piliers de toute société, de toute communauté et du monde entier. Alors Monas, est-ce que euh, ce titre a bien été reçu par les principales concernées, c'est-à-dire les femmes Effectivement, effectivement, ça a été reçu, mais jusqu'à présent, ça reste parce que c'est pas encore euh, on appelle ça, au haut degré. Quand même, ça a pu toucher beaucoup de cibles, beaucoup de gens. Aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de retours à la fin de ce projet. J'ai eu beaucoup de retours positifs, me boostant aussi et me faisant comprendre que c'est bon, le texte est bien, est bien passé et quand même ça répond quand même aux exigences, pas aux exigences, ça répond et aux normes quoi, de ce que demande la femme. merci Mounas. Elle est l'espoir de toute nation, vecteur de paix, d'égalité, elle est source d'inspiration. Elle est la mère de l'humanité. Elle est l'espoir de toute nation. Vecteur de paix, et d'égalité. Elle est source d'inspiration. Voilà, c'était là le titre Femme de Mounas, la slameuse, et euh, c'était notre invité du jour, comme vous l'avez compris, et à qui nous disons une fois de plus euh, bonjour. Alors Mounas, comment se porte le slam nigérien selon toi Eh bien, le slam nigérien, il va en bon train, parce que de, jour en jour, il y a euh, les nouveaux talents que nous sommes qui se lèvent. Avant, c'était un art que je dirais presque inconnu ici au Niger. Mais plus les années passent, plus les gens découvrent le slam et plus les gens s'y intéressent. Et je pense que quand même, c'est, on est sur une bonne lancée, on est sur une bonne voie, on est sur une bonne route. Voir le slam nigérien à l'international, même c'est reconnu, il y a beaucoup de slameurs qui voyagent sur des festivals, sur des, spectacles, ça arrive. Donc euh, déjà, c'est pratiquement, euh, je dirais, c'est waouh le slam nigérien, en tout cas, il se porte très bien jusqu'ici. Alors, euh, nous savons déjà que c'est pas facile de se faire une place où les hommes dominent en général. Alors, comment t'es-tu fait ta place, toi, Monas La question. <laughs> eh bien, euh, déjà de nature, moi, je suis très audacieuse. <laughs> On mhm. dit ça en notre, dans notre jargon, tête dure. <laughs> voilà c'était euh, les difficultés que j'ai eu à rencontrer, c'était beaucoup plus euh, avec la famille. Parce qu'avec la société, moi, j'étais du genre, je m'en foutiste. Tant que j'ai une idée en tête, je me, lance. Quand j'étais euh, en classe de, au lycée, c'était bon, c'était au collège que tout a commencé entre amis, moi j'animais, j'aimais trop parler, je suis bavarde de nature. Mhm. Et au lycée, avec euh, euh, les semaines scientifiques qu'organise euh, notre établissement, je faisais soit la maîtresse de cérémonie ou souvent je suis je fais des petits poèmes que je présentais sur l'établissement jusqu'à participer à des concours inter-établissements. Mhm. C'est de là que tout a commencé Petit à petit, je me suis intéressée euh, au slam. Au début, c'était la poésie. J'ai intégré le collectif Plume du Sahel, je pense que c'était en 2019. Et depuis lors, bon, me voici slameuse. Est-ce que la famille a facilement accepté ce que tu fais et t'a soutenu Facilement, non. Je dirais pas facilement, ça a été vraiment euh, compliqué et euh, surtout avec euh, le papa, parce que je viens d'une famille où l'éducation était vraiment de rigueur. Et pas l'éducation comme ça, mais l'éducation scolaire, elle était de rigueur. Habituellement, quand on descend à 13h30, je reviens à la maison, 15h, c'est les cours privés, 20h, je suis là assise, table ronde avec le papa en train de réviser. Pratiquement, je n'ai pas ce temps-là pour euh, côtoyer les gens, le social, j'étais un peu coincée, quoi, mhm. trop dans le monde scolaire. Donc, je ne pouvais pas côtoyer, à plus forte raison, me faire des amis ou bien dire que je vais faire des connaissances pour que je puisse euh, accéder facilement au slam. C'était mhm. un peu serré de ce côté. Mhm. Et j'étais la plus têtue chez moi. Donc, euh, ce qui m'a valu quand même ce truc. J'étais, je sortais en cachette souvent, <laughs> c'est je, dévoile des secrets ici. <laughs> Je, sortais en cachette à, complicité avec souvent ma grande soeur Quand je pars, je reviens, je lui file quelque chose. Et voilà, de, quand le papa a compris, il a dit vraiment, moi, je ne sais plus quoi faire de toi. Je suis fatiguée. Explique-moi, dis-moi, qu'est-ce que tu veux clairement dans ta vie tu lui as dit, voilà, et moi, si il veut que vraiment j'étudie, que je sois concentrée sur les études, qu'il me laisse faire parallèlement ce qui, ce qui me passionne. Mm-hmm. Il a dit, bon, il sait que ça ne lui plaît toujours pas, mais il va me laisser faire voir. C'est comme ça qu'il m'a laissé. Bon, je partais euh, pour les répétitions au CCFN euh, de temps à autre, de temps à autre. Bon, jusqu'à aujourd'hui, me voilà. Souvent, quand j'ai des textes, même je, je les soumets à sa correction. <laughs> Avant de poursuivre ces échanges, chers auditeurs, marquons une petite pause musicale pour écouter ce titre Rialan, qui veut dire argent en français. Tuareg Hasso à Côté est originaire de la vallée de Tiden, région d'Agadez. Il commence sa carrière d'artiste vers les années 1990 à Agadez, accompagné de plusieurs artistes comme Le Feu, Abdallah Umbangougou, le grand, euh, c'est le, groupe Tinawaren du Mali et aussi d'autres groupes de la sous-région voix de toutes et tous. Il est surtout écouté pour les messages que véhiculent ses chansons et aussi son style. L'artiste nous chante ici un monde qui se veut matérialiste, où l'amour a perdu son sens propre au profit de l'argent. Il dévoile la vie des jeunes filles qui aujourd'hui ne s'intéressent qu'aux hommes riches dans l'unique but de se leur argent. studio après cette pause musicale pour retrouver notre invité du jour. Ah, si vous venez de nous prendre en cours, vous êtes à l'écoute du Niger sur Kalangu. Alors Mounas, jusqu'à ce jour, tu as sorti combien de titres et quels sont les thèmes que tu slams le plus euh, Jusqu'à ce jour, j'ai cinq titres qui sont sortis, mais mhm. plusieurs en attente. Mhm. Et les thèmes que je touche le plus, c'est des thèmes quotidiens, euh, par exemple sur la vie, la vie quotidienne. Sur il y a déjà un titre sur le Niger qui est là. Mhm. Il y a le titre Femme qui est sorti. Il y a un titre qui parle de nos douleurs, des douleurs des femmes, des douleurs quotidiennes qu'elles subissent chaque jour. Et il y a un titre qui parle hum, euh, de, comment on appelle ça, des qui parle des, euh, des maux que subissent les mm. enfants, c'est-à-dire euh, les travaux forcés, tout ce qui a trait à la souffrance que subissent les enfants. Voilà. Alors, en quelque sorte, c'est la vie si on, si on, résume en général la vie sociale en tout cas. Mm. À quoi faut-il faire attention quand on est femme et qu'on veut faire du slam au Niger et hmm. Eh bien, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de paramètres. Mais moi, je dirais tout dépend de l'éducation. Hein. Tout dépend vraiment de l'éducation et des visions qu'a la personne. Mhm. Ça dépend d'où où tu veux aller et de ce avec quoi tu es venu. Mhm. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement le slam, c'est le, le, milieu, euh, comment on appelle ça, artistique tout en entier. Que ce soit le slam, que ce soit la musique, que ce soit la peinture, tout est art. Mhm. Ça dépend de comment toi tu te comportes, de comment tu travailles, de comment tu fonctionnes. Aujourd'hui, l'art se veut une discipline. Mm. L'art euh, se veut une certaine, qu'on euh, appelle ça, personnalité, euh, un caractère, une éducation. Donc moi, je dirais, tout dépend vraiment de l'éducation et de, de, la vision de la personne. Tu as fait des études en communication pour le développement. Oui. Est-ce que cela t'est il dans ta carrière d'artiste hmm, Vraiment, je, je, ne dirais pas que ça m'est écrit, parce que de base, moi, j'ai fait des études euh, scientifiques. J'ai mon cursus scolaire est purement scientifique. Donc, euh, dès le bas âge, moi, je m'aspirais à être pilote, à être euh, médecin, en tout cas tout ce qui a trait avec la science. Mhm. Mais j'avais quand même cette passion profonde pour les lettres. Mhm. Donc, je j'embrassais comment, comment, on dit ça, le rêve de mes parents. J'embrassais aussi euh, et les visions et les ambitions de mes parents, pas mes propres ambitions, parce mhm. que quand tu es petit, ce qu'on te dit, c'est ce que toi, tu t'obliges à garder. Voilà. Et quand j'ai eu mon bac, c'est là, bon, je, je ne me voyais pas trop dans les sciences. on me dit science, moi je vois l'être science, je vois l'être. J'ai dit bon, <laughs> euh, finalement, il faut, faire, un choix. ah oui, il, le faut. J'ai dit bon, je vais prendre mon courage en main, <laughs> mhm. je vais suivre là où ma tête euh, décide et mon cœur décide, je pars là-bas. <laughs> Donc c'était comme ça, c'était pas vraiment tracé si je ah, peux le dire. Ok. Tout en slam, est-ce que tu peux lancer un message à l'endroit des femmes qui n'arrivent à suivre leur passion D'accord. À toutes ces femmes qui n'arrivent pas à suivre leur, passion. Oui. Nous sommes tous déjà sur cette route tracée, comme le médecin qui guérit nous plaît, comme l'enseignant qui dresse sacré, comme l'avocat qui défend nos droits, le maçon qui avec amour construit nos toits. Elle, elle qui veut briller par cette flamme, elle qui veut vibrer au rythme de sa voix, avec sa plume dresser l'humanité contre les ténèbres et libérer le monde. Les rêves constituent sa passion qui l'acclame. Alors où que tu sois femme, sois forte et vas-y. Ne doute de rien, car la vie en elle-même est déjà un doute. Oh C'est super, merci <laughs> beaucoup merci de nous avoir honorés de ta présence. Au plaisir. Excellente journée. Merci beaucoup. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, euh, bienvenue euh, dans cette euh, partie chronique numérique. Aujourd'hui, nous avons un sujet qui passionne les informaticiens, les développeurs et même les curieux de la technologie. C'est le système d'exploitation Linux. Alors, installez-vous confortablement car ces prochaines minutes vont être un véritable voyage dans le monde de la du logiciel plutôt libre. Commençons par les bases. Qu'est-ce que c'est que Linux, Ousmane. Alors oui, euh, bonjour à tous, bonjour tout le monde et encore une fois bienvenue dans cette nouvelle euh, rubrique. Donc cette semaine, euh, on va parler de Linux. C'est un système d'exploitation en fait open source. Donc, et qui veut dire que son code est accessible à tous, grosso modo. En fait, pour faire très très simple, tout le monde connaît Microsoft, Windows, tout le monde connaît iOS d'Apple. Donc Linux, c'est un système d'exploitation gratuit et ouvert. Imaginez euh, l'explication la plus simple pour comprendre le monde du logiciel libre, c'est d'imaginer une recette de cuisine chaque fois, dont les ingrédients, tous les ingrédients euh, sont disponibles. Quand je pars dans un resto, je mange, je demande euh, quelle est la nature de ce plat. Très souvent, je ne vais pas l'avoir dans un restaurant type Microsoft qui est fermé. Mhm. Mais dans à ce qui concerne les logiciels libres, vous aurez l'intégralité de la recette et tout, tout, et tout le tralala. Mhm. Donc, c'est un système d'exploitation qui a vu le jour en 91 grâce à Linus Torvald, donc un étudiant finlandais qui était. Euh, qui n'était pas satisfait des options des systèmes d'exploitation disponibles à l'époque, mhm. c'est-à-dire euh, donc tous ceux qui étaient IBM et, compagnie. Mhm. Donc Linux a été créé euh, comme une alternative aux systèmes d'exploitation commerciaux, donc Microsoft pour Windows, euh, Windows qui appartient à Microsoft et iOS qui appartient à Apple, les gars qui fabriquent les iPhones et, les Macs. Mm-hmm. Donc, ce qui est remarquable euh, sur Linux, c'est qu'il est basé sur ce qu'on appelle Unix. Donc, Unix, voyez-le vraiment comme l'ancêtre de tous les systèmes d'exploitation qu'on utilise aujourd'hui. Ça a été inventé il y a plusieurs années déjà, une cinquantaine au moins. Donc, cela fait de Linux une plateforme extrêmement stable et fiable. Parlons maintenant des distributions Linux ou distro. Il y en a combien Alors les distributions, c'est tout simplement des versions. Euh, comme il est, c'est un logiciel gratuit, donc souvent les informaticiens le prennent et ils font ce qu'ils veulent avec. Mm. Donc Android, par exemple, il est basé sous Linux et Android, c'est un euh, système d'exploitation très puissant. Donc pour avoir un peu une idée, aujourd'hui, si vous avez un iPhone ou si vous avez un Mac, c'est très difficile, mm. par exemple, de vouloir changer la couleur d'un dossier, par mm. exemple. Euh, sur Windows, c'est encore un peu difficile, mais sur Linux, c'est très. Vous pouvez le customiser à volonté. Mhm. Vous pouvez lui dire de faire tout, à peu près tout et n'importe quoi. Mhm. Donc, euh, il y en a beaucoup. Les distributions euh, de, de, Linux, on peut citer parmi les plus connues Fedora, Debian, Santos, et vous aurez toute la liste sur le site de linux.org. Et vous pouvez toutes les télécharger, elles sont gratuites. Et vous pouvez donc choisir une distribution en fonction de vos besoins spécifiques. Par exemple, Ubuntu pour les débutants, euh, toutes les personnes qui sont débutantes en informatique peuvent utiliser Ubuntu. Et mhm. encore une fois, l'intérêt, c'est que vous aurez tous les logiciels gratuits. Par exemple, vous aurez déjà Audacity pour ceux qui font du montage, vous aurez déjà un équivalent, équivalent de Word, Excel, PowerPoint, etc. gratuitement sans avoir de licence parce qu'on sait qu'avec Windows, des fois on a c'est rouge, ça vous dit que c'est bloqué parce que vous n'avez pas payé la licence ou ça vous dit que Windows n'est pas activé pour X raisons parce que vous n'avez pas payé le logiciel. Mhm. Mais Linux, lui, toutes ces versions elles sont totalement gratuites. Alors euh, une chose, qui, qui, rend Linux si spécial, c'est sa communauté. Étant un projet open source, il est constamment amélioré euh, par des milliers de développeurs à travers le monde. Alors oui, la communauté euh, pour Linux c'est très important parce que non seulement euh, c'est une source de développement mais aussi de support. C'est vraiment, imaginez, moi je prends toujours l'exemple d'une recette de cuisine. Quand je me trompe sur un ingrédient, je peux demander à quelqu'un mais c'est quoi l'équivalent C'est mm. quoi peut-être la solution pour X problème à, résoudre. Donc vous, vous avez un problème, il y a des forums, des chats et des groupes où vous pouvez poser toutes vos questions et souvent vous avez des réponses de façon instantanée. En conclusion, Linux n'est pas seulement un système d'exploitation, c'est une philosophie, un mouvement qui prend la liberté, la flexibilité et la collaboration. Si vous êtes fatigué des limitations de systèmes d'exploitation commerciaux, pourquoi ne pas donner une chance à Linux alors oui, si vraiment vous n'avez pas, vous n'avez pas <laughs> beaucoup d'argent, je vous encourage. Et si vous avez une vieille machine, un vieil ordinateur qui refuse de démarrer, vous pouvez lui installer Linux. Il va démarrer en général. Mhm. C'est très léger, donc Linux vous donne le contrôle total sur votre système et il est soutenu par une communauté gigantesque qui est incroyablement passionnée. Et donc c'est une aventure que tout amateur de techno, en tout cas, devrait vivre. Voilà, chers auditeurs, c'était là la rubrique hebdomadaire Habiba. La prochaine musique sur notre playlist, c'est quoi déjà C'était c'est Aïr Akalin de Mubarak Mohamed. Mohamed était jeune de 21 ans, né à Agadez, qui fait la promotion de la paix à travers ce titre qui résume tout. Eh bien, Habiba, pour ceux qui n'ont jamais visité la région, c'est vraiment l'occasion de fouler cette terre riche en patrimoine culturel, une ville touristique qui fait toujours ses preuves. Alors, dédicace spéciale à tous les jeunes ressortissants d'Agadez et ceux de la diaspora aussi. En ce moment où la paix, la cohésion sociale, les pardons et la solidarité

This is voilà, c'était Aïra de Moubarak Mohamed, à présent direction d'Amagaram, Zender pour léco des régions. Oui, Habiba, certaines femmes en état de grossesse consomment de l'argile pour surmonter les nausées et autres malaises liés à la grossesse. Cependant, cette pratique n'est pas sans conséquence pour la santé de la mère et du futur bébé. Suivons plutôt ce reportage de Zara Boukar. L'aka, comme on l'appelle communément en Hausa, c'est de l'argile que l'on trouve sur les roches sédimentaires et qui est vendue un peu partout au marché. Les femmes qui en raffolent sont nombreuses, surtout celles en état de grossesse, à cause de son goût amer, explique-t-elle. To ni cin mun komi, da lokacin da ina jin yunwa ma in ci kawai in sha ruwa ba tare da na ci komi ba, saboda kawai daɗinta ne nake ji a raina. Rada ban ci ta ba har wani irin yanayi nake shiga ina ji kawai kamar ban jin daɗi haka. Ya banni da lahiya amma da zarar daga na ci ta ko ina jin wata kasala ta riga ta shiga jikina ne tun ba yau ba kawai ni dai tilaka gaskiya ba sabo na bane ba amma dai a yanzu da nike da juna biyu tilaka ya zame min kamar jiki saboda wani tashin zuciya ko ina amaye amaye ina yawan tinta saboda ina jin daɗin cinta sosai. Cependant, selon le médecin gynécologue Dr Toussaint Edmond, ces produits est très mal digéré par l'organisme, donc très déconseillé pour la consommation. Le risque est d'autant plus élevé chez la femme enceinte, a-t-il ajouté. C'est une consommation d'argile pour pouvoir répondre d'abord aux différents stimuli liés aux différents symptômes que la, grossesse, engendre. Parmi les complications qu'on peut retenir le plus souvent, c'est surtout cette euh, consommation d'argile va interférer avec les différentes réactions ioniques chez femme pouvant amener une anémie, la carence martiale. Deuxième conséquence aussi, cette consommation d'argile à long terme peut aussi être source d'hémorragie du postpartum, c'est-à-dire que les femmes, après la naissance, elles ne vont pas avoir une bonne coordination ou bien elles vont mourir parce qu'elles sont déjà anémies parce que cette consommation d'argile-là va aggraver leur, anémie. La consommation d'argile-là peut compromettre même le pronostic maternel parce qu'une femme, vous savez, il suffit de faire un tour ici sur le mettre en vous savez que la majorité des femmes que nous admettons, c'est des femmes qui viennent dans, un état d'anémie. Et aussi, elle peut être source. Si la femme, elle saigne un tout petit peu à l'accouchement, donc ça va aggraver encore cette anémie-là, ce qui peut être source de décès maternels que nous cherchons par tous les moyens à éviter. Donc, l'appel que nous lançons aux femmes, c'est de laisser cette pratique néfaste et de consulter, et de consulter les fonds de santé car les médicaments existent pour pouvoir combattre septembre. La consommation de la jule est donc très dangereuse, autant chez les femmes enceintes que chez les jeunes filles qui en raffolent. La santé est précieuse, dit-on. Merci Zara Boukar. Bonne journée à vous. Un coucou à tous nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent à Zender. À présent, place au sport avec Hasumi Grouza. Bonjour. Bonjour euh, Abiba, bonjour euh, Samy. Bonjour Rosa. alors on a joué les demi-finales du championnat régional de Niamey pour les U17 si je ne me trompe pas. Oui, Samira, la première euh, demi-finale a opposé le Sahel Sporting Club euh, de Niamey à l'AS Garde nationale. Victoire euh, de l'équipe de la Garde au tir au but 4-3. L'autre demi-finale a mis aux prises Wardak à Ouragan. Là également, c'est les tirs au but qui ont départagé les deux équipes. Victoire de Ouragan sur le score de 4 buts à 3. La finale de ce championnat de foot U17 va opposer Garde nationale à Wadak et ce sera, ce sera pardon, le samedi prochain au stade municipal de Niamey, y compris euh, le match de classement entre le Sahel et Ouragan. Le TGV Lazare a pris fin hier, n'est-ce pas, Grouza Oui, Abiba. Euh, L'AS Banifandou 1 a remporté la dixième édition de ce tournoi des grandes vacances de Lazare en finale devant Chicago FC sur le score de 3 buts à 1. Et la troisième place euh, a été occupée par euh, Zulura. Quant au TGV Bukochi, la grande finale est prévue entre euh, FC Nordiré et Sagia le samedi prochain euh, sur le terrain de Finia. L'Algérie se prépare pour le championnat d'Afrique des Nations de handball. Oui, Samy, c'est un rendez-vous qui se déroule tous les deux ans depuis 1914. Il regroupe les meilleures euh, équipes nationales de hand en dames et en monsieur sous l'égide de la Confédération africaine de handball. La compétition est toujours dominée par trois nations la Tunisie avec 10 euh, titres, l'Égypte 8 titres et l'Algérie avec 7 euh, titres. À part ces trois, aucune nation n'a remporté ce championnat. En 2022, il faut le rappeler, l'Égypte, grand favori, a dominé et à domicile a remporté son huitième titre en s'imposant en finale face au Cap Vert qui a atteint donc la finale dès sa deuxième participation. C'est aussi la première fois depuis 1983 qu'un pays différent du trio Tunisie, Algérie et Égypte termine à la deuxième place. Quels sont les pays qui vont participer à ces championnats africains de handball Oui, Abiba, en dames et en monsieur, l'Égypte est, représentée par Al-Ali et Zamalek avec l'Algérie, nous avons SDICA, la RDC avec eh, JSK, le Cameroun avec euh, FAP et INCO, NZICO. le Congo-Brazzaville, nous avons BMC, Grain de Sable, DGP et AS Auto. La Côte d'Ivoire, nous avons Red Star et Bandama ACT. L'Angola à Primero d'Agosto et Petro Atletico. Enfin, le Bénin est représenté par une seule équipe à Monsieur Lajija AGB AHBC lors de la dernière édition de ce championnat. D'ailleurs, il faut noter euh, d'Afrique des clubs de hand disputés en Tunisie. C'était Tunis en monsieur et Primero d'Agosto Dam qui ont remporté les trophées en s'imposant respectivement devant Zamalek d'Égypte et Petro Atlético d'Angola. Voilà pour le sport. Merci Grouza pour toutes ces infos sportives. Place à présent à notre portrait du jour. Oui, Habiba, elle s'appelle Hawa Samba, âgée de 43 ans, mariée, divorcée, mère de quatre enfants. Elle habite le 5e arrondissement de Niamey, couturière en même temps, monitrice au centre de foyer couture de la radio Scout Kwartegui. Celle-ci encadre plus de 60 jeunes filles et femmes apprenantes depuis deux ans. L'année passée, 60 ont été formés, dont parmi elles 30 étaient dotés de matériel de couture. Notre reporter Omar Hamma est parti à sa rencontre pour son portrait. On écoute. so madalla hunkuna irka ne wo nungu ki goga zankai don da nande hakika mo irka gara nigo zankai weji ne ifo no nigo te ise kupu nirgot katinga izara yeno ay koy monte fo ay ni jing sintinda yigite da tricotage da perleyo ingenikithi so so ong fuka mfatanga noningi ngoba into hot kutirza ngai mndondongo taya zamu yidi wodi wasike avanse ingot kino hot kutiro manda ndai nur sintin manda ngir sintin 25 december irte enna irni no diploma ifo seno nina goyo wo suban ay kol den le fatta ay ko ti kutiro ay go kutiro dingano ne wayma comme iganda teli de kutura in inguno ima inene o igo sam monitrice ikag depose te test er ko te kan go bore kan iksambura mm. sende fono ni goga Zan kai don nan di yongo wora sintina premier ani man nan kan zankay sibana ay kulkan de manin nuru da ngara ifun bay no gara inga dai no me amma bore kan ga goyo kulkai zamir du karan kan i don don wani me yare ir sambu 31 inga yino ino mashin to haran wo bordi ma marjano go aran se aran santro wora 60 nur er sam man na 60 haran 60 me haran ngirdan inscription nur 10000 kan na im kai ginga goti zamir ba santo kul mufatta ce yon fono nigite danga woy bore furote yeyi weyse wallahi ce yon kan aikte do dai woy boro kun zamano karar go boro sun da kaniya dinne duni goyo ingno ni bai kan wallahi a ganda avantage bu har bo gon kan bore kan te gi bisa igi bara mi iman dua amma hun kun din gogoy hanni kai gine alborse aino muradu zongro ni fe da eh surtout ta zamanu karar go ta yan wudin san bola ni singire mata wani wai bore ga da zan kai dai kan yan gogo dirgi windi wai kan yan gogorfu wallahi im koy goy Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. C'était le portrait du jour. On remonte à Maradi pour notre dernière balade musicale et nous allons nous détendre avec ce titres Samaria a de feu dans un coup. Samaria de fait dans Anko. Faisons place maintenant aux femmes du studio Kalangu pour les lotis qui parlent de la naissance de filles dans un foyer. Et eh oui, Habiba, dans cette, certaine communauté nigérienne les femmes sont stigmatisées pour avoir donné naissance à des filles, des, stéréotypes ancrés dans les esprits des maris qui ignorent en fait que c'est une question de génétique, le sexe du bébé ne dépend pas de. Suivons plutôt cette discussion entre femmes sur le sujet affairage, affairage, affairage, affairage. Félicitations, madame. C'est une fille que vous attendez. Hamza, Hamza, Hamza, je te parle. Hum. Excuse-moi, j'étais perdue dans mes pensées. Ah, ce n'est pas bon dans ton état. N'oublie pas que tu es enceinte. Tu dois éviter le stress. Qu'est-ce qui te tracasse autant hum. Je viens du centre de santé pour une échographie le médecin m'a annoncé que j'attends encore une fille. Masha Allah, c'est une excellente nouvelle que tu m'annonces là. Tu n'as que des filles. Je t'envie vraiment, Masha. Si tu savais combien j'aimerais avoir une fille. Mais attends, qu'est-ce qui t'attriste alors Ton bébé est malade <laughs> si jamais j'accouche, ça sera la quatrième fille. Et mon mari s'attend à avoir un garçon. Je ne sais même pas comment le lui annoncer. Je ne comprends rien de ce que tu essaies de me faire comprendre. <laughs> Mon mari m'a prévenu que si j'accouche d'une fille, cette fois-ci encore, il va prendre une seconde épouse. Pour cela, je consommais toutes les plantes que ma mère m'a apportées et respecter le régime alimentaire que ma cousine m'a conseillé pour augmenter les chances d'avoir un garçon. Hey, mais tu veux vous tuer ou quoi <laughs> Calme-toi. Abba, arrête de pleurer, s'il te plaît. Hein Cela peut avoir des effets néfastes sur ta grossesse. Mais sache que c'est juste un prétexte que ton mari cherche pour se marier. Comment ça, un prétexte Oui, de la pure génétique. Il faut que tu comprennes que c'est l'homme qui détermine ce que porte la femme, car c'est lui qui donne le chromosome qui détermine le sexe du futur bébé. Donc ne te stresse pas pour ce genre de choses. S'il faut condamner quelqu'un, c'est plutôt lui. Ah bon, ma chérie C'est scientifiquement prouvé. De toute façon, un enfant, garçon ou fille, tu ne sais pas c'est lui qui fera ta fierté. Je vais en parler avec ton mari. C'est aussi son rôle en tant qu'époux de te préserver surtout par rapport aux préjugés sur les naissances. Tu as absolument raison. Nous ignorons tout cela. Tu ne sais pas à quel point notre désir d'avoir un garçon a compliqué la relation entre mon époux et moi ces dernières semaines. Fille ou garçon, j'aimerais nos enfants d'un amour inconditionnel. C'est cela le rôle des parents. <laughs> Alors souviens un Ça va aller. Inch'Allah. C'est là les du desk femme du studio Kalangu. Suivons maintenant Soumana Amadou pour la culture linguistique. Les mots du jour est tolérance. Eh oui, bonjour à toutes. Donc, euh, la tolérance est la vertu qui porte à, à respecter ce que l'on n'accepterait pas spontanément. Par exemple, lorsque cela va à l'encontre de ses propres convictions. C'est aussi la vertu qui porte à se montrer vigilant envers l'intolérance qu'envers l'intolérable. La tolérance s'exerce lorsqu'on reconnaît qu'une chose est un mal, mais que combattre ce mal engendrerait un autre mal encore plus grand. La tolérance peut alors conduire à une abstention volontaire dans le combat contre un mal identifié comme tel. Cette euh, abstention n'est pas motivée par une relativisation des notions de bien et de mal, mais au contraire par la pleine conscience, la pleine conscience effectivement, euh, d'un mal qui ne peut pas être combattu sans produire un autre mal plus grave encore. donc ampel la tolérance ça veut dire hesare hmm. hesare neɗɗo wawata wadde hesare nde sewana tawe hollude tokka ko welay ɗum hunde welama tokka ɗum kam wiyete hesare na jarroɗa ɗum fey so tawama e ɗum bonnen e ley muraduji maɗe joguiɗa ɗi ana e ɗi ɓurɗa teddude ɗi woɗi du fa hande hesare nde no waɗa du saabu dartanani soni gacce waɗi gacce o laato neɗɗo wawata durdude e muɗum saabu nde gacce o dama fa itte fuu no wawi waddude gacce goɗɗo mawɗo ɓurɗo noon enɗa ndene he sar nde wona ƴewde hunde no woɗi na no boni woni ɗum koye won ni faamude se hunde ama gacce noon fa anditama durdugol e muɗum so tama no wadda gacce mawɗo ko ɓuri ɗum ɗon ɗum woni accugol ngol ɗum woni ko wiyete he sare e fulfulde Merci beaucoup, euh, Soumana, pour tous ces éclaircissements. Chers euh, auditeurs, euh, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication, n'hésitez pas à nous laisser un message au 82 89 89 64. Habiba, il est temps pour nous d'écouter les messages de nos auditeurs. sunana musa hankali na ma kenan kaga babu abin da yake shiruwa to ƙasa da kake ganin ta kamar ka ɗauka misali ne cikin gidanka in yi cikin gidanka babu kwanciyar hankali duk inda ka ta hankalinka yana gida kenan tashin hankali cikin gida kaga shine ke watsa gida to kaga ko ƙasa haka nan ne take duk abin da ka sani wani ɗaukar ilimi ne wani ci gaba ne na gida ne ko na karkara ne duka gaba ɗayan babu kwanciyar hankali ba yiwa kenan kaga kwanciyar hankali cikin al'umma shine ci gaban wannan al'umma sunana hajiya laura ibrahim kwanciyar hankali ice ne gindi ne babba mai muhimmanci wato kwanciyar hankali tun daga cikin ƙasa kwanciyar hankali har cikin gida hau mata da mai gida an ba kwanciyar hankali babu abinci kai kwanciyar hankali abu ne muhimmanci wanda ke tare da li'ima eh, rahama Allah kenan kwanciyar hankali na kawo tahiya mai kyau kenan kwanciyar hankali abu ne wanda Allah ya sa'in wanda ya same shi Allah ya so shi sosai da rahamar shi kenan in babu kwanciyar hankali wai yaya za a yi abin da za ka samu gobe ma ka bude shi ni ne Salisu Jibu ma'aikaci a nan karanta mai kula da sai je da lisenin ta mai to shi kwanciyar hankali ana magana ta a cikin al'umma kwanciyar hankali tana kawo kama yarda komi sai a cikin sauki ba zargi ba komi sai ga kama komi na ta daidai kuma rayuwa tana daɗi in muka ɗauka a cikin ƙasa abu ne wanda yana iya kawo shiga da hici na dukiya da jama'a bisa kan eh, al'amura na kasuwanci wanda kowa zai samun dukiya da amfanin da ke cikin dukiya ba tare da wani tsanani ba ba tare da kuma an rasa ba kwanciyar hankali na kawo ci gaba a cikin al'umma kuma sunana amina yahaya To yanzu dai rayuwa shi dai ɗan ƙasa ya kamata dai farkon harin ya ba ƙasar shi daraja. ya san kowa ne ne shi kenan dai ka ba ƙasa ka daraja ta musamman ya kamata ɗan kasa ya adalci cikin ƙasar shi yadda ka san cikin hilin gidan gidanka matsala in ta sabku za ka maganin ta haka nan ya kamata ka magance matsaloli na cikin ƙasa a samu a yi hangen guri na albarka na gari ya kamata ɗan ƙasa ya adalci cikin ƙasar shi kai a gamu da shi ana cutar ƙasa sunana abu na hanci jami'i ne mai kula da kariya yara ƙanana anan mai kwanci hankali dalili ne zaman lahiya kuma zaman lahiya abu ne wanda ya ɗauki tushe tun daga addinin namu duka addini ma na musamman ko kirista ko musulunci kaga duk sun tanadi zaman lahiya don zaman lahiya abu ne wanda al'adunmu da addinanmu duka sun ba shi muhimmanci Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé, l'environnement et le changement climatique, le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Nous sommes à la fin de notre émission Le Niger sur Kalangu. Vous étiez en compagnie de Samira Rafi et Habiba Ahmed. C'était un immense plaisir de partager ce moment avec vous, chers auditeurs. À demain pour un nouveau rendez-vous. La technique était assurée par Issa Lawali et Khadija Isaka était à l'édition. Passez une agréable journée.